entre autres. Omar Gueye sur les rebelles dans Libération informe qu'ils sont venus porter main forte à Yewi et ils ont été arrêtés à Dakar. Le gouvernement prend donc la parole toujours dans les colonnes du journal. Abdoulaye Daoud Diallo déclare face à la presse le FMI ne peut pas nous faire des injonctions. Un accord a été trouvé avec les meuniers et les taxes sur la vente du mouton sont levées. jugee woon ca diwaanu Casamance wàcc ci réew mi ngir mën a daaneel mim réew di Sénégal kàddu yu Omar Gueye yooyu la di kàddu yu Ousmane Sonko mooy wane ni géeg politique bi daal ay nit yu doye di leen ay nit yi manqué rek ñoo nekk fii ci mim réew di Sénégal kàddu yu gouvernement bi doon yëkkati démb mi ngi ci yéenekaay bi di Libération wax nan ci rassemblement bu yeewi subvention ak dund gi ni mu seeree fii ci mim réew di Sénégal